dangi wai bora dangi mace kama maza mata kama maza dangi dangi Bonsoir et bienvenue sur votre émission hebdomadaire et 100% jeune tous à la fada l'émission proposée par le studio Kalangu est diffusée via les zones de ses partenaires médias. Vous pouvez voir et nous écouter aussi sur la page Facebook du studio ou encore recevoir nos contenus directement par WhatsApp. Le studio Kalangu vient d'organiser un atelier de formation au profit de certains web influenceurs parmi les plus connus. Vous êtes d'accord avec moi Ouais. Alors, les web influenceurs, qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils font exactement Si vous nous avez suivis en première partie d'émission avec ma binôme, l'inoxydable rime, vous avez sûrement su de quoi s'agit-il. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, les web influenceurs ne sont pas des stars ou des personnalités publiques au sens propre du terme, mais elles sont très présentes sur les réseaux sociaux avec une forte communauté de followers et une capacité d'influence très significative sur les événements. Grâce à l'expertise technique apportée par les structures géoanalytiques avec l'appui des studios Kalangu. Ces web influenceurs, je le disais plus haut, ont bénéficié de renforcement des capacités dans leur domaine. Et pour la circonstance, trois d'entre eux, parmi les plus en vue, se verront décerner tout à l'heure des au cours d'une cérémonie spéciale. En cette occasion, tous à la Fada se joint à l'activité à travers cette émission spéciale sur les web influenceurs et leur rôle dans les élections qui viennent de s'achever au Niger, ainsi que leurs difficultés. Contribution des web influenceurs au processus électoral au Niger. Ce sera le thème à développer pour vous, chers auditeurs, dans cette nouvelle émission Tous à la Fada, avec euh, la machine et les humains. Échange, discussion, musique et chronique, voilà pour vous le contenu de tout Salafada. C'est le programme habituel de l'émission que nous commençons tout de suite. Si vous êtes OK, décollage imminent. Hey. Nous nous trouvons ce soir au sein des locaux du studio Kalangou. Contribution des web influenceurs au processus électoral. C'est le thème du jour, mesdames et messieurs. Nous sommes avec euh, Comment tu vas Je vais bien, Alhamdulillah, Je vais bien. Kinzo Fada, ah. Kinzo Fada, Fada, ah, aha. de fada. Nashana, Shana Koshi. Oumou, je sais que la bienvenue. Une on a l'habitude de poser la fada ensemble. Ça va, tout, tout se passe bien Ça va, ça va, Dieu merci. Et tu les as tous dévancés Oui, c'est vrai. Oui, dis-moi. la bienvenue. Merci, donnie C'est la sagesse, c'est la tristesse ou c'est quoi sur cette émission C'est la sagesse. La sagesse Oui. Ça fait combien de temps que tu es devenu plus sage parce que tu n'as pas la connexion, tu n'as pas Internet ouais, On va discuter de ça en fin d'émission. Exactement, il n'y a pas de souci. Tu es OK Ouais. Super. Mon gars, jaune, quoi, John ou mutomi. bleu Ça veut dire Rawani de Rawani, mon ami Rawani. Comment tu vas Ça va très bien, de Avec euh, déjà, euh, n'est-ce pas, euh, tout ce qui va avec. Manga Rawono Rawono, un ah, c'est une marque. On est takunkum takunkum be takunkum avec rawani. Avec rawani mais rawani au kirne be bongani Oh mais on est rawani halo quoi. On est moderne nous les femmes. <laughs> Super. Mon ami comment tu vas Je vais bien. Tout se passe bien Oui, ça tu va. Tu peux te présenter s'il te plaît Oui, c'est Diallo Cheikh. Diallo, ça va Ça va alhamdulillah. Diallo, il est ah, Diallo, il est de Arobanda, il est web activiste euh, et comme on le dit entre parenthèses influenceur web. Ok, comment on dit entre griffes C'est quoi Tu te poses des questions aussi ah, bon, Pourquoi entre griffes Entre griffes parce que beaucoup de gens se disent qu'il n'y a pas d'influenceur au Niger. Ah ok. Oui, Mais toi, tu sais que tu es influenceur, non Tu es suivi. On me l'a dit. Super. Aja, Bangum, Bangumbi, Zara, Kalganda, Lilet Kware. <laughs> Aja, maintenant, où est-ce Ben, c'est Matsuro, Matarke. Tao, Suro, gaga. Demain, serait votre jour. Bon, tous les jours, c'est Voilà. Mais demain, c'est un peu spécial quand même. La femme sera au cœur des grands événements ici au Niger. Oui. Oui, Mars, ça te dit Oui, ça me dit ah, beaucoup. Beaucoup de choses. Oui, Mars, ça te dit quoi Dis-moi. Bon, comme vous l'avez dit, euh, tous les jours, en fait, la femme. Oui, bien sûr. La femme 8 mars, 8 mars, c'est quand même la journée internationale des droits de la femme. Donc, euh, on mérite quand même que les gens sachent que la femme, ce n'est pas que la cuisine, <laughs> comme certains puissent le croire. ben, voilà, la, hmm, Quand je dis la femme, vous voyez, elle faisait. Il n'y a pas de souci. Euh. Tout qu'on fait, beaucoup de choses à dire sur cette émission. Le processus électoral vient de s'achever au Niger. Quel bilan faites-vous par rapport à l'influence des réseaux sociaux en général sur les jeunes et en particulier votre influence à vous pendant toute la période électorale Au moins en ce temps, qu'est-ce que tu faisais avant, pendant et maintenant Qu'est-ce que je faisais avant les élections, pendant les élections et maintenant. Oui, parce que tu es suivi. On te reçoit sur cette émission en tant qu'activiste. Oui, euh, avant, comme tout le monde, euh, je pense que je, je, je m'intéressais à ce qui allait euh, se passer, parce qu'on parle quand même du devenir de notre pays pour les cinq prochaines années. bien sûr je vais dire que j'apportais mon grain de sable à l'édifice, à la pierre de l'édifice. Hein, et pendant les élections, euh, avec euh, mon partenaire, j'ai eu euh, la chance de pouvoir implémenter un projet qui, qui, nous tenait à cœur. Pendant hum, les élections, les campagnes, etc., on a initié avec mon partenaire, si je peux le nommer euh, Ibrahim Tanimoun, on a initié hum, le projet Takara 2021. Takara 2021. Donc compétition, euh, forcément, 2021, qui était euh, un moyen en vérité de d'intéresser les gens, les, les, jeunes, parce que voilà, c'était quand même la cible à la, à la chose politique, euh, sans pour autant donner de consignes de vote. Créer la discussion autour des différents points. Donc cela veut dire que n'ai une femme dans quarantaine, ah, oh, Yusnem Kanga. Pendant ce temps, wato kanchina pas ga takara 21 go faman jeunesse programme. Oh. Il me bay mai sai nungi pas mi sappe, mai sai no pas cina

ay ay won gork sino kida hmm. donc ay mbo umu ni ginen gorko sino se voilà ay gork sino umu oh. ummu matka kida ay hmm. mbo lok chodin kulu ay go ay go tay hina kulu ay mu dugu bore famani hina fo duma hina fo duma no gote donc hina kay gote danga hankuna par exemple eh, blague kan do yigite sur, hmm. sur, sur facebook mm. particulièrement mm. ay gite ci danga ganda ganda ay mu danyise hay eh, haikan gini bongai feri mm. parce que irga bai kan kuna eh, borisi ba chawyen bobo chawyen ku chawyen ku dan borisi ba donc ay gite phrase fo yinka après ganda ay mdangi mudan hay kan gini gi ngay feri par la suite donc c'est c'est ma c'est mon gobo distraction al hali quoi ne go bore harande harande harande harande mo bori nimmo seni gine use la sagesse exactement ai chora mena salif quelle est la période du processus électoral la plus difficile à gérer selon vous l'avant, pendant ou l'après L'après. L'après. Il faut c'est. La erdia o Ta. Une pineton. Ta. Une boutique ou un bien beaucoup. Mm. Une borien agressé. Mm -hmm. oui. Mm -hmm. Ta. Sanga misali ga chek no ne ga aprano. Naim ko haja do haja. Amin hasanifo. No tu appuies chaque olmo binde nugo nkam sanifo no nous, au fond, on dit est plus difficile à gérer pour vous parce que vous êtes suivi. Je l'appuie totalement mhm. parce que euh, l'après a déjà, on va dire, été, prévu de loin. On avait vu ça venir. On avait pris, personnellement, moi j'ai participé à une formation du NDI pour former, pour vraiment sensibiliser les jeunes mhm. au, contexte post-électoral. Mhm pour justement éviter ces violences parce que on sait que les premières victimes allaient être les jeunes. Bien sûr. Ensuite les femmes, voilà. Et, on, a, on a vraiment tout fait pour que les partis politiques fassent des restitutions à leurs jeunes parce que c'est vraiment la partie de la population la plus facilement endoctrinable et aujourd'hui, on est là où on est arrivé. On va prendre une petite pause. On va aller avec l'artiste s'exprime de l'émission Tout la Fada. Et cette semaine, c'est juste la sagesse que nous recevons sur cette émission. On le suit et tout de suite, la suite. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous. Un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19. L'artiste s'exprime. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, la Salafada, l'artiste use la sagesse s'exprime. Hey, vous, vous rappelez certainement de Yous la sagesse. Il était sur l'émission Franco Aoussa hier avec la Miss Rim. Le parcours du combattant. Pour rappel, mesdames et messieurs, il est artiste, cinéaste, comédien. Il a commencé les hostilités artistiques en 2016. Aujourd'hui, avec l'artiste, nous allons parler non seulement du cinéma, mais aussi de sa vision de la comédie Made in Niger. Il est influenceur sur les réseaux sociaux. Il taquine spécialement la créature sacrée, c'est-à-dire la femme. Use la sagesse. Nous sommes aujourd'hui le 7. Demain, la journée internationale de la femme. Elles vont te cuisiner sur cette émission et je sais que tu as un message pour eux à la fin. Ouais. la sagesse, la machine te souhaite la bienvenue sur la rubrique L'artiste s'exprime. Eh mon pote, comment tu vas Je vais bien. Dis-moi que tu pètes la forme. Je Vous pète, la forme. Je pète la forme, je pète la forme. Yous la sagesse. Réunissons les conditions qu'il faut pour parler du cinéma au Niger. Tu as commencé la chose en 2016. Comment est-ce que tu évolues pour ensuite parler de l'évolution du cinéma au Niger Tu es jeune, tu inspires beaucoup de jeunes. Les, les jeunes te Ouais. Les jeunes, en termes farato, kiffent. À toi la parole, exprime-toi mon frère. Euh, en fait, je, pour commencer, je dirais que euh, le cinéma nigérien, mhm. ça promet. Ça promet Oui. Parce que euh, quand vous faites le constat. Donc, si on parle en termes clairs, ça veut dire que maintenant, ça ne marche pas. Ça promet, ça veut dire que ça va marcher ça va marcher, mais Ok. disons que c'est vrai que même maintenant on arrive à se débrouiller, mais pas comme on le veut. Ok. Pas comme on le veut parce que euh, aujourd'hui nos productions sont limitées. Comme vous constatez aujourd'hui au Niger, Qu'est-ce qui vous limite Oui. Euh, premièrement, je dirais que c'est surtout euh, ce côté financier que les gens, dont les gens n'aiment pas parler. Le matos. Le matos. Parce que si. Bata. Exactement. Boza. Boza. C'est pas. Ta. Donc, euh, ce côté financier est, vraiment un, un, handicap pour nous. Un frein. Un frein. Bon, je dirais pas un frein parce que ça nous freine pas, mais plutôt un handicap, ça, ça ralentit un peu nos pas. Ok. Mais... Freinage, non, mais mousse, mousse, mais Donc, ça... Parce qu'on aime la chose. On aime la chose. Il y a ce côté financier là. Il y a aussi euh, ce manque d'expérience professionnelle je dis manque d'expérience professionnelle, c'est vrai que euh, aujourd'hui, la majeure partie des cinéastes nigériens ne sont pas des gens qui ont euh, étudié profondément le cinéma. On s'est lancé dedans par passion, parce qu'on aime. Et je pense que euh, il faudrait peut-être qu'on ait accès à des formations de, de, haute professionnalisme et tout. Mhm. Peut-être qu'avec ça, on aura un, peu plus de coups de pouce pour avancer. Mhm. maintenant, ce côté financier, c'est vrai que le cinéma fait partie des, des arts qui demandent plus de moyens euh, financiers. Parce qu'aujourd'hui, sur un plateau de tournage, mhm. même si c'est un court métrage, tu n'as pas moins de, 10 techniciens. 10 hmm. techniciens. Donc, on n'a pas une heure de temps. En un mot, moyen signe, on va au garan frère moyen sino faut irma ah, o Il fatta era deux furdura comédie o nin karangote mhm. ngamo matkina To euh, donne je dirais Alhamdulillah, parce que aujourd'hui, avec le peu de moyens qu'on on arrive à faire des choses et les gens aiment. C'est ça l'important. Ça avance alors. Ça avance. Okay. Tant que euh, tu n'as pas un retour positif, c'est zéro. Bien sûr. Tu peux, tu peux déjà lâcher. Mais, hum. Alhamdulillah, notre dernière production qu'on a sortie, les jeunes nous ont demandé plus. C'était un court métrage de 13 minutes. 13 je ne sais pas si vous vous rappelez Ça a parlé de quoi La chambre 318. chambre 318. C'est actuellement disponible sur YouTube. Yous, Oui. nous sommes à la fin de la rubrique donc du temps qui a donc du temps qui t'a été consacré. Yus tu taquines d'une manière ou d'une autre la femme à travers les réseaux sociaux, sur ta page Facebook, je te suis de près. Tu es soit skinny ou accouché. Use la sagesse. La femme te suit présentement sur tout ça, la fada. Use la sagesse. L'instant est solennel. Un message pour ainsi souhaiter bonne fête à la femme, internationalement parlant, puisque demain c'est le 8 mars, journée internationale de la femme. Yus, la machine et les humains t'écoutent. Donc pour, euh, pour ce 8 mars, je tiens à rappeler à toutes les femmes et d'ailleurs que vous êtes des reines. Et malgré les taquineries sur Facebook, sur les autres plateformes de, des réseaux sociaux, je, vous, je vous réhabilise, disons, euh, euh, je, vous, je vous réitère mes, sincères salutations, je vous réitère mon amour. Tu te cherches. Allah karamuk al Les femmes, ce sont nos mères, ce sont nos femmes, ce sont nos enfants. Et c'est la mère de l'humanité. A bah, ah. <laughs> À l'instant, c'était donc où l'artiste s'exprime. C'était la vie artistique euh, de la sagesse. Continuons tranquillement. Nous sommes toujours Studio Kalangu, Bin Gundara, Misa Ligargo, Mongunya, Fochire, Chayo Goga Zarga, Astai Goga Zarga, Agoga Zarga, vous êtes toujours sur tous à la fada nous discutons sur le thème contribution des web influenceurs au processus électoral au Niger avec nos invités qui ne sont plus à présenter vous les avez certainement kiffés en début d'émission on l'a compris vous avez une forte influence sur les internautes alors, dans le cadre du processus électoral, comment vous mesurez la portée de l'impact de vos publications à travers le nombre de likes, le nombre de vues ou à travers des événements survenus sur le terrain. Oh, Dondi, hmm. euh, quand on fait un projet comme ça, on a des outils déjà de mesure tu vois, mhm. euh, la, mesure même de l'impact qu'on a, ce n'est pas forcément sur le nombre de likes ou de, de, vues. c'est sur les vues déjà. Ah, c'est sur les ah. vues Non, il y a déjà les vues, les il y a les partages. Il y, a des gens qui vont liker et ne jamais partager, il y a des gens qui vont partager et ne jamais liker. Mhm. Et il y a des gens qui vont dire, hey Filana, va regarder. Mhm. D'accord mhm. Donc le fait qu'on en parle, c'est déjà, tu sens l'impact. Mhm. Mais le meilleur impact que nous, on ait pu ressentir, c'est quand même sur le taux de participation. oui, bien sûr. Il y a beaucoup de jeunes. Surtout au voilà, il y a beaucoup de jeunes qui s'étaient abstenus, même au premier tour, et qui, euh, au deuxième tour, étaient fiers de dire j'ai voté. Ah oui, D'accord. Partant déjà d'un certain nombre de choses que vous avez influencé les jeunes. Exactement. En tout mhm. cas, on, peut le mettre euh, à notre crédit et au crédit de tous ceux qui ont eh, participé. elle est à... Eh, s'il vous plaît, on doit l'applaudir. Voilà. Ah et au crédit de tous ceux qui ont participé à ça. Euh, ce qu'on ce, qu'on faisait donc eh, donc donc vraiment on peut s'applaudir on, peut, vraiment vous êtes fier, trop fier moi même je suis fier de vous parce que j'ai vu tellement de, postes en bas mentionnés ou tagués Takara 21 c'est déjà ah exactement exactement faire vivre un hashtag, ah, etc., ça veut déjà tout dire ça veut dire beaucoup j'ai vu beaucoup de publications sur le site du studio Kalango partant de Takara 21 Aja ah, Aramo pendant ces élections là pendant ou avant pendant est-ce que aran du retour un retour positif est-ce que aran di kambori retour go hangana walmo binda aran di afon est-ce que jeunes se sont intéressés à la politique partant déjà de vos propositions les, jeunes se sont intéressés à la politique mhm. personnellement moi j'ai découvert le programme à travers Takara 2021 c'est une grandeur eh, c'est une grandeur je reviens à toi eh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour toucher les jeunes, parce que nous sommes écoutés à travers 46 radios partenaires et dans les zones les plus reculées. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans ces zones pour qu'ils vous suivent oh. ayyumin kan babu rago kauye kango a 100 200 300 km Agonde internet Agonde internet a whatsapp a whatsapp te un agma ai kan goti a facebook mu a facebook ba as faham ma Mais goka ai ma eh ana facebook est-ce que neo far sanino aram dar mor kam ku sig est ce aram aram video aram tantu me hinna aram te ska aram te bor gare aram fong bor gare ga gete se video yang izo mutu parce que non mbano ayo ayne ayne go kul baban video inte yango imsamba zankai se de we borai da baba zene bora kul ko am dugu bay aram dugu to bora kul pat parce que ayo on m'a aidé si je peux le dire mm -hmm m'a aidé une vidéo et on a créé une équipe de 50 jeunes ici au sein du Niger. Dans chaque, chaque région, on prenait quelques 5-6 personnes. Quand il est dans le groupe Folankara, irin te video irin san bi sin ngwa im san bange inga bore si kayan goy de la pasu irdi kan kuna et election au Niger kulnu kenan na kulnu mata bay goyo kan ay mata gati pour que im dugdu la kalkane kwarara la la musique s'impose donc sur l'émission Tous à la Fada. Le plan de divertissement, mesdames et messieurs, on kiffe. Et tout de suite, la suite. sahaga bhane Sada zumunci dangi magana juna. Sada zumunci dangi magana juna. kama juna tashin hankali Ah, Et j'espère que vous avez beaucoup aimé. Le message est clair. Parce que sans peine, nous ne serons pas ici. Ce n'est pas Oumou qui va me dire le contraire. On aime tous le Niger. Tout cela la FADA, notre thème du jour. Contribution des web influenceurs au processus électoral au Niger. Certains accusent les web influenceurs de manipuler la jeunesse lors du processus électoral. Car vous publiez ou diffusez des informations que vous êtes souvent les seuls à pouvoir authentifier en dehors des informations ou des confirmations des principaux concernés. Qu'avez-vous à répondre au mot par rapport à cela Bon, euh, Dondi, pour te répondre euh, franchement à ça, je vais déjà te dire que dans toutes les communautés, il y a des ripoux d'accord, des pourris. Euh, mais je ne me sens pas autre mesure concernée par ça et ceux de mon entourage. Tu ne fais pas partie des pourris. Non, exactement. Ah, ah, oui, et je vais te dire pourquoi. Parce que ah. pour, ce qu'on a fait, oh. on a pris le soin. Je, vais te parler aujourd'hui parce qu'on parle d'élection de Parle Takara. sincèrement. Oui, de, Takara. De, Takara. Oh. Euh, en lançant Takara, on a même pris le soin d'approcher les directeurs de campagne de chacun des candidats. On les a approchés, d'accord Pour être sûr qu'on disait la vérité, que toutes les informations qu'on partagerait seraient des informations avérées. Et ça, ce sont les prémices dans tout ce qu'on fait. Dès lors qu'on décide de porter un combat, de porter une cause, il est important de donner des informations avérées. Donc, euh, que ce soit euh, sur le programme, on a donné ce qui était déjà là, qui a été validé par les différents partis. Euh, bon, après, on ne peut pas empêcher qu'il y ait des, dérives. Des dérives, il y en a partout. Et ceux qui font ces dérives-là, ils savent pourquoi ils les font. Malheureusement, ce n'est forcément pas à bon escient. après, ils ne peuvent être responsables que de ça. Malheureusement, voilà. Madame, Arambora, maintenant, Est-ce que harna bore influencer im suban boros im suban boros eske bore na harna no bataram go tenge se ganda ganda im stu charsa kulfa ne o chimino bore ti charsa bon on on on, on, hein. on influence quelqu'un qui se laisse influencer mais normal, vous êtes des influenceurs. Oui, <laughs> donc quand, quand la personne, elle est... Ce qui est le but, en fait, c'est d'inciter la personne à comprendre par elle-même et de faire un choix sans qu'on ne dise prends X ou Y. Nazo Fada Aizine d'Internet use la sagesse. Actuellement, et suite au contexte post-électoral, la connexion Internet est restreinte, notamment celle accessible par SIM. La data comment vous continuez votre taf malgré et quelles sont vos capacités de résilience cette coupure d'internet moi mhm. je trouve que c'est c'est j'ai l'impression d'être opprimé OK j'ai l'impression de ne pas pouvoir dire ce que je pense et ce que je veux donc restriction de tes droits. Oui, de mes voilà de, ma liberté d'expression carrément. on va on va aller dans les extrêmes. Ok, euh, Sans compter aussi que ça bloque beaucoup mon travail aussi parce que je, perds beaucoup d'argent. Euh, même pas ça, je perds de crédibilité face aux partenaires parce que c'est pas facile de leur expliquer que dans un pays, ça fait aujourd'hui huit jours qu'on vient de nous couper Internet en 2021. Il faut aussi trouver d'autres moyens aussi de communiquer ou de parler à la famille. Donc selon vous, c'est inadmissible. C'est pas normal. Je dirais que c'est abusé. C'est abusé. Omu. Voilà. Omu de matkanan abusé métier ou passion. 21. Euh, les deux. Métier et métier passion. passion. Passion avant d'être un métier. C'est une passion que j'ai transformée en métier. Tant. Oui. Aïma, eh, d'une ton explication, nous ferons que tu auras juste la sagesse. Est-ce qu'il y a un métier ou passion Waldeno est-ce qu'il y a métier ou passion Tout comme euh, tout comme ma passion pour les pour les c'était une passion avant d'être un métier. donc, tout comme moi aussi, j'ai transformé ma passion en métier. D'accord. Ouais. Aïtura. -hmm. Passion ou métier Question de répondre répondra. Aïe, on a. un moi, c'est une passion, mais sans aïe qu'un métier. Métier, non mhm, Métier, nati. Sans un métier. Allah, métier. Aïe, n'a jallo le man. On nous tue, Oum t'a déjà influencé. Passion et métier, j'ai la réponse. un ah, attends. Nous sommes donc pratiquement à la fin de l'émission. Mesdames et messieurs, nous allons donc recevoir tout de suite maintenant Mr. Olivier pour la chronique de l'émission Tous à la On le kiffe et tout de suite la fin. Salut à tous, amis auditeurs et auditrices de la FADA. Depuis la restriction de la connexion Internet au Niger le 24 février, avez-vous un peu pensé à ce que serait le monde sans connexion Eh bien, c'est une situation qui impacte sur presque toutes les activités. La communication, l'économie, la santé, l'éducation ou encore notre culture générale. L'un des avantages de notre génération, c'est l'accès à des opportunités via le digital. Mais malheureusement, nous perdons ces opportunités le temps que durera cette limitation d'Internet. Donc le monde continue de tourner ces temps-ci sans nous, on dirait. Dans la chronique de ce soir, nous allons parler de l'usage responsable de l'Internet. Et moi, je vais partager avec vous une opportunité de candidature. Eh bien, je vais vous parler du récent appel à la candidature de la French African Foundation. Nombreux d'entre vous seraient en train de se demander c'est quoi exactement la French African Foundation et c'est quoi son ambition. Amis auditeurs et auditrices de l'émission Tous à la Fada, la French African Foundation a pour ambition de soutenir le leadership de la nouvelle génération franco-africaine évoluant sur la scène économique, politique, sociale et culturelle. Elle met en place chaque année une promotion de young leaders, de jeunes leaders comme on peut le dire, français et africains afin de favoriser la rencontre de visions et de projets. Ces personnalités sélectionnées sont appelées à porter de nouvelles perspectives dans les relations franco-africaines d'aujourd'hui et de demain. Peut-on lire dans le communiqué de presse de l'appel à candidature Eh bien, ce programme concerne cette année 100 jeunes leaders franco-africains qui suivront un séminaire en France ou au Sénégal. Amis auditeurs et auditrices, pour être parmi cette promotion de Jeunes Leaders 2021, la plateforme digitale est disponible, mais vous pouvez retrouver le lien sur le compte Twitter de l'ambassade de France au Niger, une fois que la connexion Internet sera établie, bien évidemment. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques. Bye bye C'était à l'instant Olivier, avec la chronique de l'émission Tous la Fada finissons ce que nous avons commencé irma ya banan di neme wala irma gayi um nin ne sintinda hankan gona an trayar ni telera ne banam kais on kuna interneto ana sigdo ba da go goduwa irsi be mat kan got est ce que gon cheya hein? pour que aran go aran mate am parce que arne lahani ngara kat kat ngara on <laughs> euh, pour moi, euh, comme ma sœur Oufa, je vais dire que c'est aller dans les extrêmes. Je vais dire que la coupure d'Internet, c'est une violence faite à nos droits. D'accord Violence faite. Oui, c'est une. Et la femme est une créature sacrée. Elle, elle s'exprime sur les missions. C'est une violence faite à nos droits. Et à un moment, ça devient contre-productif je demande qu'on pense à toutes ces personnes qui vivent de ça, toutes ces femmes qui aujourd'hui vendent du dembou, du, de la pintade pilée, etc., via WhatsApp, via les réseaux sociaux. Ce sont des femmes, c'est une petite économie. Tout à fait. L'économie de notre pays ne peut pas supporter ça. Si c'est 15 femmes, 100 femmes qui vendent via les réseaux sociaux, imaginez ce revenu-là, les 15 000, 20 000, 30 000 qu'elles gagnent par jour, multiplié par le nombre de femmes. Exactement. N'ajoute pas quelque chose. Voilà. Use la sagesse. Un mot, un message. Euh, ok. Tes entrailles. nawai ai ba yami ai mini di kan din connexion e pati portable e bon digi ba haya te effectif don ba wifi gi pati il faut c'est man wifi pati parce que ngi go goida non non aran go j'en viens j'en viens ah, i go goida ir mo hon kuna aranir go gunwa ah aran mo go aran go goida din pati inir ngwaro gai ah est ce que gudum fo ngo fam o sanga misali ga mat kan bankai go da internet to de no aramo arango go da bankai boriano dang ir Oh. bankai bore nun singi irin oh. kun irin wani fatauci irin singi aran bankai da taran telefon le telefon mo nga ninga not ventara kula atede way bi kuna atede way bi hin sura amma oh hon kuna oh. dan irgo ga exiger mm. sans condition mm. il me yek kan dire c'est internet parce que <laughs> c'est nos droits les plus absolus ils n'ont aucun pouvoir sur ça les jeunes s'expriment sur l'émission Diallo irga be karam boaran kanda kandaran kambu ko karo aram salan jeunesse da internet to ningon aram boaran gin fataram no jeunesse wusite ya wunan to matno no di patiyan ora don am tonton ya kan ummu cika hmm. zaman nan covid anin goti oh, covid na anun hasarauti amanna ah, mo fa kote financier borai zibai kulsira borai ininge hina kultenge barmai on s'est adapté à la situation on est arrivé à un certain moment où les réseaux sociaux nous ont permis d'engranger quelques petits revenus mais là couper internet ne va pas résoudre le problème sangarango fala arango simba simba yoni ke fa eh, patini karanci mantica aran zachanta canta meni diga aran kuganda salle se mikra Aja, Oufa. Banda, demain c'est la journée de la femme. La femme est une créature sacrée. Elle est issue de la côte gauche de l'homme, près du cœur pour être aimé. Ton mari, il t'aime. Et sous le bras pour être protégé, ton mari te protège. Un mot à l'endroit de toutes les femmes du monde connectées sur cette émission. Pour finir l'émission en beauté. Donc, euh, ce sera un mot vraiment de soutien à toutes les femmes dans ce contexte de shutdown. Du monde mondial ou les femmes Des femmes du Niger en particulier et des femmes mondiales euh, en général. Donc, du monde mondial. Voilà, donc dans ce contexte de shutdown 2021, comme moi je l'appelle, mhm. euh, courage, force et persévérance. il ton courage, force et persévérance banda. neno dirkoydir cabbe hino sa tono tonoya dirkande sanniji tajigi tonan darando hey hey